Je vous remercie, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, honorable député, Madame la Présidente de la Commission des lois. Rassurez-vous, je ne répondrai pas au coup de pied de l'âne. Je ne répondrai pas au coup de pied de l'âne. Mais, mais, mais, mais, mais, mais, mais je ne suis pas, je ne suis pas un chrétien non plus. Je suis musulman. Et ce sont les chrétiens qui demandent, qui acceptent que quand quelqu'un vous donne la gifle sur la, sur la joue droite, donnez-lui la joue gauche. Ce n'est pas nous. S'il vous plaît, laissez le ministre répondre. Mais attendez, le ministre à écouter pendant six heures de temps. Mais je vous demande, en tant que président de cette séance, Mailen Komoutontou. Mailen Komoutontou. mais Mailen Komoutontou. Honorable député. Mailen correct, Mailen Komoutontou. Honorable député. Honorable Mailen correct. Mailen correct. J'ai l'habitude. Mailen correct. J'ai l'habitude. J'ai l'habitude dans des audiences vous ne je. vous savez s'il vous plaît honorable député c'est son tour de parole. donnez-lui la possibilité. qui est un droit qui lui revient de répondre. je, je me suis. bon d'accord on retournera. Un jour, on retournera au dictionnaire. En latin, attendez, en latin, ça se dit asinus. Asinus, A-S-I-N-U-S. pour le moment, Toglen Rek, Bailen que vous répondez. Voilà, Malen Konyan, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Merci, merci. Honorable député. honorable député. S'il vous plaît. Je le répète. S'il vous plaît, s'il vous plaît la paix est revenue. ministre Il a eu la patience d'entendre pendant 7 heures Votre collègue, votre collègue, honorable député, président de la commission, après son discours, m'a demandé de ne pas répondre au coup de pied de l'âne. Et je lui dis, et je réponds en lui disant que je ne répondrai pas au coup de pied de l'âne. Maintenant, je n'ai ciblé personne en, disant ça. Maintenant, s'il y en a qui estiment qu'ils sont les ânes, il y a un problème quand même. Honorable député, honorable député, l'âne est celui qui comprend L'âne est celui qui se prend pour un âne. Bon. Honorable député, honorable député, je suis respectueux de votre institution. Je suis respectueux des députés de, ce que vous incarnez. Vous êtes des élus du peuple. À ce titre, je vous respecte. Mais personne entre vous ne peut m'impressionner. Je veux vous dire, honorable député, honorable député, je m'adresse aux honorables députés. Honorable député, donc je vais m'adresser aux honorables députés que vous êtes. Donc, à la rapporteure de la commission, l'honorable député Yaya Diallo, m'a demandé, là également, d'expliquer le pourquoi de l'urgence qui a justifié que le gouvernement demande l'examen de ce texte en procédure d'urgence. Je voudrais vous dire, honorable député, que, en vérité, le texte qui est soumis à votre examen parle de blanchissement de capitaux et de financement de terrorisme. Ce texte rajoute uniquement à ce qui concerne le terrorisme. Vraiment, vraiment, monsieur le président, danger le président, il faut arrêter ce ministre-là. C'est tout. Parce qu'il ne doit pas nous traiter comme des. Il, ne doit pas nous traiter de, Il ne doit pas nous traiter de l'âne. Honorable député. Eh, je vous répète, ce eh, eh, texte, ah? que ce texte qui vous est soumis le texte qui vous est soumis mais taisez-vous haut ma ne ma ne déglu leen déglu leen déglu leen déglu leen déglu leen déglu leen déglu leen waaw ma ne déglu leen déglu leen waaw déglu leen waaw ma ne déglu leen déglu leen waaw du ngeen déglu ma ne déglu leen waaw déglu leen déglu leen waaw déglu leen ma ne déglu leen déglu leen waaw déglu leen waaw nangeen déglu. waaw déglu leen. waaw ma ne. ma ne na ngeen déglu. mais dégluleen money. money. le ministre, monsieur le ministre, on va régler le problème par la procédure nga allez vous asseoir Appel au règlement. Non, non, non. Non, non, non. lan ce n'est pas obligatoire. Waouh ma mais calmez-vous, calmez-vous, calmez-vous.